merci beaucoup madame la présidente Mangi ngi lay nuyu ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public monsieur le ministre des finances et du budget monsieur le ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions chers collaborateurs des ministres monsieur le ministre avant de démarrer mon propos je voulais vous féliciter vous encourager pour tous les efforts que vous fournissez tous les jours pour la modernisation de l'administration. Je pense que tout le problème se trouve là. Depuis tout à l'heure, c'est comme si c'est le ministère de l'Éducation, mon moignon. Parce qu'enseignants, quand on parle du ministère de la fonction publique, les enseignants pensent que c'est leur ministère. Et le ministère de la fonction publique, c'est plus large que ça. Peut-être qu'ils sont plus nombreux, mais c'est plus large que ça. Il y a d'autres administrations au niveau de l'État du Sénégal. Donc, encore une fois am na sama benn collègue bu ko wax avec e-solde da ngay dem sa banque ou nga yor sa téléphone nga jël sa sa sa sa qui, bulletin xam exactement quelle erreur moo ci am boo régulariser nga régulariser je pense que c'est aussi c'est un pas très important mais ça ne se limite pas seulement sur e-solde. Il y a d'autres documents d'avancement. Yen a ko gëna xam nga xamné tout le temps yen ci mbirum rappel avancement ainsi de suite xam ngeen ni à travers la plateforme de la fonction publique mën ngeen ci accéder Comme le problème ça se trouve pas là où nous fiñ ko bëgg travail. Dior, joor gàcce présent, président tu n'as jamais dit que moom moo njëkk def déedéet da nga ni limu def moom ëpp le président Ablaye wad a fait lolu kenn du ko xana lolu mom moy nek nit ko xamni yow euh, mel wa borbe, boor il a fait mais ce que le président de la République a fait pour les enseignants du Sénégal aucun président ne l'a jamais fait ici donc kenn du wëlbati say wax pour bëgg ko la tàccu parce que c'est ñi la war a tàccu nekkuñu fi loolu moom je pense que ku bëgg ku la tàccu da ngay wax leneen mais kenn du la waxal loo ne le président Macky Sall 70 000 le commencé ba 260 000 vous parliez tout à l'heure de 200 000 c'est jusqu'à 260 000 wala 300 000 francs ci augmentation de salaire loolu amul fenn amul benn dëkk ci àdduna bi boo xam augmentation de salaire boobu noonu de am mais réparation mu ni dañu équitable parce que ñii ay inspecteur de des impôts la ñii mais président Macky Sall mënon na sétane non wala mu yokal len 20 000 francs comme président Abdoulaye Wade 10 000 la yokal wala mu yok 50 000 mais pourquoi commencer 70 000 ba 260 000 monsieur le ministre le président de la république nous parlementaires je parle des députés les représentants du peuple contente de ci parce que nous, avons voté le budget pour ngeen mëna exécuter le programme le projet yi nga mais nous, nga voté duñ voter budget Nous, mom wax deug neex yalla seeni wax dañ koy wax rek ba paré dem parce que bu ñepp manko won mel ni ñom yeen bo leen ñëwé fi da ngeen di génnaat bi, parce que nous voté wul budget mom xana président de la république jël décret pour mëna a li nga xamné mom moy tax pour que ngeen mëna ki mais bu dul pas kon assemblée nationale du fi valider ben ben budget kon encore une fois rassurez-vous vous avez bien travaillé le gouvernement du Sénégal a bien travaillé le ministre de l'économie et avec le président de la république dem uti ay fonds su ñëwee tek ko ci loxo ministre des finances mu de ko nim ko wara dès que dëkk bi jëm kanam je pense que lool l'a amone lumay wax di insister waat encore une fois sur la dématérialisation et la digitalisation lo leen fa def ci ay moyens doyul monsieur le ministre des finances su vous ne budget Sénégal bi yépp mën nañ ko jox le ministre de la fonction publique mu def ko ci dématérialisation ak digitalisation je pense que nous nañ faire, parce que ça peut régler tous les problèmes que nous ne ko affronter may nuyu aussi sama le secrétaire général de votre de ministère Mohamed Diop ak aussi mon frère euh, Medoun qui, nga xam ne gis délégation Je les remercie remercier merci beaucoup. Je vous remercie chers collègues. La parole est à notre collègue Ndialou Batili pour 5 minutes, Serigne Abou